donc d'abord, Denis dañuy encore une fois Félix joueurs Nous def match l'équipe de la Pologne qui reste une très belle équipe voilà mais je pense que nous on avait un objectif dans ce match moi assurer une qualification dès la deuxième journée. voilà devons nous permettre encore une fois ñu nous impliquer tout le monde qui match nous devons nous permettre encore une fois nous continuer à à boy. parce que comme nous avons un match l'entraînement entraînement ça va être un moyen pour aller progresser moo tax xool tey boo xoolee match bi dañu supervision Pologne équipe boo xam ne dafa amoon 3-5-2 la équipe boo xam ne vraiment dafa am possession balle donc il nous fallait dès à présent ñu couper un peu seen relation depuis ci kaw quitte à ce qu'on ait des 1 contre 1 ci kaw parce que euh, il fallait qu'on ait un bloc très compact bloc boo xam ne vraiment dina permettre passe bu ñëw dinañ ko jël deuxièmement quand on prenait les ballons c'était important ñu jaar ci côté parce que faiblesse trois défenseurs un peu c'est l'utilisation sur les côtés donc mon sur tey suñu plan c'était très clair xale comprendre nañ ko et puis nous nañ ko def ko loolu moo ñu indil match bu match bi match bi nga xam peut-être mais encore une fois ñu jaajëfal xale yi di leen féliciter encore di wax encore c'est ça reste encore du chemin C'est na encore une fois voilà là sur une qualification il va falloir aussi ñu assurer première place parce qu'on va rester ici à Bandung voilà encore une fois Djadjef les jours, féliciter les jours, féliciter tout le staff technique, féliciter aussi tous voilà, qui sont les supporters qui étaient là beaucoup à encourager ces jeunes.